Cette pratique n'est ni une mendicité, ni un acte qu'on peut qualifier de social ou humain. Même si c'est de mendicité c'est réprimé par l'islam. Et ceux qui font ça, c'est qu'ils ignorent non seulement la dignité humaine, ils ignorent ce que l'islam réserve par rapport aux enfants. Avant la communauté, les parents ont la charge d'assurer jusqu'à un certain âge à leurs enfants tous les services possibles et les protéger contre certains habits. Parce que le professeur Lalassane a dit que celui qui nous triche, celui qui nous persécute n'est pas des nôtres. Donc les enfants ne méritent pas ça.